Pour ce qui est de la malnutrition, nous avons deux types de malnutrition. La malnutrition aiguë modérée. Là, nous avons dépisté 59 752 cas avec 4 euh, décès en 2019 et 68 697 cas de malnutrition modérée avec 14 euh, décès. Pour ce qui est de la malnutrition aiguë sévère, nous avons enregistré en 2019 61 714 cas avec 83 décès et en 2020, nous avons enregistré 75 427 cas avec 50 euh, euh, décès. Si vous constatez, nous avons une hausse euh, pour, par exemple, les sévères de 13 713 cas. Qu'est-ce qui explique cela Elle vous souviendra qu'il y a eu la campagne de chimioprophylaxie du paludisme, donc la CPS. Donc, on a aussi associé le dépistage systématique de malnutrition pour les deux types. Tout enfant à qui on administre son comprimé pour la CPS, alors on profite pour euh, le dépister. Ça veut dire qu'il y a eu un dépistage massif par rapport à cette malnutrition-là.